Le journal de la Cannes avec Nafi Amarfal. Bonsoir et bienvenue dans le journal de la Cannes de Wii C'est le dernier jour pour préparer ce match très attendu entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en huitième de finale ici au Stade Charles Conan Bani de Yamoussoukro. Les deux sélectionneurs ont fait face à la presse pour parler euh, de leur effectif. Est-ce que c'est au complet ou pas de leurs objectifs euh, Qu'est-ce que le Sénégal prépare pour ce match où il faut impérativement gagner pour rester en lice euh, dans la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Pour Alucissé, le passé est écoulé. Le futur n'est pas encore arrivé, il ne s'occupe que du présent et pour le moment, le présent, le Sénégal s'en sort bien et avec tout ce qui s'est passé euh, contre, la, contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous, nous sommes dans le, dans le présent. Le passé, c'est le, le, passé, le futur, il n'y a rien de sûr à ça. Aujourd'hui, on est focus sur ces huitièmes de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je l'ai dit, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces huitièmes de finale face à une très belle équipe de la, de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son, devant son public. Je le dis, je le répète, match difficile qui nous attend. Euh, match très difficile qui nous, qui nous attend, mais comme je le dis, euh, euh, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette, dans cette compétition. Perdre nous ramènerait à la, maison. Mais comme je le dis, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les 9 points que le Sénégal a engagés, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent, voilà, d'éliminatoire de, la CAN. Mm. On a envie de faire le maximum pour faire notre mieux et, gagner, passer au, premier tour, prochain tour. Nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, entraîneur par intérim, MRC Fayet a fait donc son premier face-à-face -face avec les journalistes. Il a bien sûr parlé des objectifs de la Côte d'Ivoire. Il pense que ce match contre le Sénégal est la dernière chance des éléphants de se racheter devant leur public. Est-ce que vous m'avez connu en tant que joueur Oui. Voilà ce que j'attendais. C'est des joueurs qui, mouillent le maillot, des joueurs qui, prennent cette deuxième chance comme, une dernière chance finalement et qu'on se rachète et qu'on montre au peuple que ce qui s'est passé sur le premier tour n'était qu'un accident. Voilà, j'ai envie de voir une Côte d'Ivoire avec un visage qui, représente le, pays, qui représente l'importance euh, de cette compétition dans le pays soit à la hauteur de, de, du peuple ivoirien. Donc euh, voilà un peu, un peu ce que j'attends de mes joueurs demain.

있을 건데. 미리 모르게 모르게. 어, 맞아. 유튜브 en fait, c'est pas plus facile. Quand tu vois les Allez, il va revenir, il va revenir. Oui. Pour notre avis d'expert du jour, euh, nous allons tendre le micro à Alucici. C'était un moment plein d'enseignements lors de cette euh, conférence de presse. Euh, selon le technicien que l'on aime bien appeler El Tactico, il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Alucici nous explique. C'est là où vous vous trouvez. C'est cette analyse que la plupart d'entre vous faites du football africain. Parce que vous vous focalisez seulement sur les, sur les noms. Parce que vous vous focalisez seulement sur euh, le club où joue le joueur. Mais en Afrique, beaucoup de choses ont changé. Les équipes se préparent. Quand il y a eu ce tirage au sort, je vous l'ai dit, vous avez dit poule de la mort, je vous dis, mais ce serait vraiment très prétentieux de penser que notre poule c'est poule de la mort et que les autres poules, les autres groupes n'était pas important. Donc, euh, que ce soit le Malawi, ça a été très difficile. Oui, effectivement. Euh, que ce soit aussi le Zimbabwe, c'était difficile. Mais ce n'est pas des petites équipes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tous ces soi-disant grosses équipes. Regardez ce qui se passe. Mais ça a son explication aussi. Il y a beaucoup de grosses écuries aujourd'hui qui sont en reconstruction. Mais vous vous êtes focalisé et vous avez mis pause sur ce qu'ils ont fait dans le passé pour pouvoir juger qu'ils peuvent être champion d'Afrique, ou bien ils peuvent exploser le groupe où ils sont. En partant en Afrique aujourd'hui, en 2024, dans cette mentalité, croyez-moi, on se trompe énormément. Voilà, donc euh, il y a des soi-disant grandes équipes, oui, mais c'est sur le papier, c'est sur, le, sur les noms, c'est sur les clubs où ils jouent, mais sur le terrain, vous savez très bien que c'est différent. Et une autre, <laughs> c'est complètement différent. L'Afrique d'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui est différent de l'Afrique des années 1900 et des années du début des années 2000 oui, il y avait une hiérarchie qui était là, il y avait les euh, des réalités qui étaient là. Euh, ces réalités-là, c'est que tout simplement une grande écurie, une grande nation de football battait les plus petits. Mais non, maintenant, les soi-disant petits font comme tout le monde. Ils se préparent physiquement. Leur état leur donne la possibilité de pouvoir euh, voyager, être dans de meilleures conditions. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. La motivation des joueurs est là. Le talent, la compétence est là. Et puis, c'est les garçons qui, sont, qui ont l'état d'esprit qu'il faut. Donc, pour moi, sortir en Afrique, c'est pas facile. Ça fait 9 ans que je suis là, je pourrais partout. Quand on allait gagner en Namibie, on nous disait que c'était une petite équipe. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Quand on a gagné le Guinée équatoriale, on nous dit c'est une petite équipe. On a vu ce qu'ils sont en train de faire. Cap Vert, c'est la même chose. Ça vous étonne, pas ça vous étonne Non, pas vraiment. Parce que je sais ce qu'ils font. Et je sais qu'il y a une nette amélioration justement de ces équipes-là. C'est tout pour le journal de la Cannes de Busport. Nous vous donnons rendez-vous euh, ce lundi à partir de 19h pour vous montrer l'ambiance avant-match ici le Charles du Le best Sport ginnaaw site bi du sportcom chaîne YouTube bi Sport TV application bi journal numérique bi Wii Sport minglen présenté journal en version imprimée Nous sommes ko mardi bi le 2 janvier 2024 Fait ci mbeddu Ndakaaru yi te dinañ ko ci distribuer rawatina ci rond-point Université Cheikh Diop ak bu Gédo mbokk yi dinañ quoi parce que comme ñun ay ma gën a bëgg la ma jox quoi. rafet na macha allah te maa ngi leen di ñaanal yàlla yokk leen ba ngeen commencé di jaay am ci loolu leen bëgg loolu seen seen xol. waaw lépp a ngi si ban ban information moo ci gën a marqué. Modou Lo. ya Lo. waaw xanaa no fan pas la. non fan Balla la sax. waaw. mais Modou def quand même impressionné la. daf maa neex trop sax. journal buy wax yëpp na Sénégal ah man boobu mangai ngi jis doog a gis quoi buy wax sport yëpp chaque jour.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 votre application Busport.